le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bienvenue à tous euh, au forum de la presse euh, du studio Kalangu de ce vendredi 9 euh, octobre 2020, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits et marquer l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la publication le mardi 6 octobre dernier des résultats globaux définitifs du baccalauréat session 2020 au Niger, par la direction de l'Office du baccalauréat du Niger OBN. Le taux national de réussite aux examens du baccalauréat de cette année est de 33,76% contre 26,56% l'année dernière éducation toujours, nous parlerons des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021, marqués d'une part par des actions de revendication de certains syndicats du secteur de l'éducation et d'autre part euh, par des dégâts sur les infrastructures scolaires euh, dues aux inondations et ou l'occupation des dites infrastructures par des familles sinistrées. Enfin, nous aborderons la situation sociopolitique euh, au Mali où un gouvernement de 25 membres a été mis en place euh, lundi dernier. En conséquence, la CDAO a mis fin à son embargo qui pesait sur euh, le Mali depuis le coup d'État du 18 août 2020. Nous reviendrons également sur euh, les démarches en cours pour euh, la libération de l'opposant malien Soumaïla Sissé et de l'humanitaire euh, française Sophie Petronet, supposée être entre les mains des djihadistes. Pour analyser ces différentes informations, nous recevons nos confrères Elhaji Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaji Mohamedou, bonsoir. Bonsoir. Ousseini Sajoubo, journaliste indépendant. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado, elle est également journaliste indépendante. Bonsoir. À la présentation de ce forum de la presse, Michel Deji. Débutons par euh, une euh, analyse sur cette euh, publication le mardi 6 octobre dernier des résultats globaux du baccalauréat 2020, toutes séries et catégories confondues par la direction de l'Office du baccalauréat du Niger, au OBN. Le directeur de cet office, le professeur Munkeila Abdo Serchi Laoli, a annoncé à cette occasion une hausse du taux de réussite à cette session 2020 de ce premier diplôme universitaire au Niger. Ainsi, le Niger obtient cette année un taux global national officiel de 33,76% contre 26,56% en 2019 et ce, malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19 ayant entraîné la fermeture des classes sur l'ensemble du territoire national du 20 mars jusqu'au 31 mai 2020, soit pendant environ 70 jours. Hussein Issa, quelle analyse vous inspire ces chiffres Merci Michel. Bon, évidemment, quand on compare les chiffres, L'année dernière, on parle de 26 euh, poussières pour cent. Cette année, 33 et poussières pour cent. Bon, mais moi, je ne vois pas. C'est 7 points. 7 points, ce n'est pas, moi j'ai dit une prouesse. C'est pas une prouesse quand on sait un peu les conditions au cours de ces dernières décennies, les conditions dans lesquelles le bac est organisé. Il n'y a pas eu de session de bac où on n'a pas entendu parler de fuite et autres. Il y a d'abord la baisse des niveaux qui est là. Ça veut dire que souvent, on se pose même la question, parce que le tout n'est pas d'obtenir le premier diplôme universitaire, mais que ce soit un diplôme véritablement universitaire. Quand on voit un peu ce qui se passe euh, pratiquement au cours des dernières décennies, il y a pratiquement pas de session sessions de bac où véritablement, les, souvent les élèves même sont méritants ça le problème, parce qu'il ne faut pas voir, poser le problème en termes de chiffres, en termes de statistiques. Moi, c'est ça qui me dérange. Il faut poser le problème en termes de qualité de l'éducation. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire, aussi bien au niveau primaire qu'au niveau secondaire, les deux cycles, pratiquement, le niveau est très bas. Et les enseignants s'en récente Moi, j'ai des amis enseignants-chercheurs de l'université de Niamey. Quand il vous parle de ce qui se passe au niveau de l'université, les niveaux, les élèves ou les étudiants qui admettent, qui entrent au niveau de l'université, ils ont de la peine, ils se posent des questions. Comment ont-ils pu obtenir même le bac Voilà mm. toute la problématique. Moi, j'ai dit, c'est bien beau de dire, bon, on a progressé, mais on a progressé pour aller où Pour aller où Parce que le plus important, moi, à mon sens, c'est de faire en sorte que l'enseignement soit de qualité. Mm. Mais alors, et on vient, on dit en 45 jours, ce qui n'a pas pu être fait en 90 jours, en 45 jours, on a pu rattraper. Ça veut dire que c'est des diplômes de complaisance souvent. La question, c'est donc comment on arrive alors à avoir des taux oui, qui mais soient en hausse non, mais le problème, par rapport au même... Euh, justement, mais le problème, c'est que euh, ceux qui sont sur le terrain pour corriger, mhm. quand ils vont corriger, mais moi, je n'ai pas fait le volume horaire nécessaire pour pouvoir, en tout cas, qu'on puisse euh, proposer des sujets. On a fait des sujets au rabais, on a fait bon, plein de choses, certainement, pour pouvoir un peu rehausser ce taux-là. Mhm. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas une presse, hein, à, mes yeux, ce n'est pas une presse. parce que ah, je fais la, la génération 80, bac, bachelier de, la décennie 80. Je sais de quoi je parle. La qualité de l'enseignement et tout et tout, ça baisse. Et moi, j'ai dit, le n'est pas, c'est pas compter sur les statistiques former des gens de qualité. Mhm. C'est ça qui est le plus important. Ça sert à quoi de former quelqu'un jusqu'à la maîtrise ou master de ou ceci, cela, mais que la personne ne soit même pas en mesure de faire une demande de, de, je ne sais pas moi, mhm. rédiger une lettre. Mhm. Vous trouvez ça normal Est-ce que vous trouvez ça normal C'est pour ça que moi j'ai dit il faut mettre surtout l'accent sur la qualité en recrutant des enseignants de qualité. C'est bien beau. peut l'année prochaine, on va encore rehausser le taux de quelques points. Mais ça va changer quoi Merci à vous, Ousseinissa, Maïmoune Gado. Est-ce qu'on peut déduire que le gouvernement a réussi à sauver cette année scolaire 2019-2020 après la réouverture des écoles le 1er juin 2020 pour une durée de 45 jours le système éducatif nigérien ne peut pas être sauvé en 45 jours. Donc je me dis que c'est vrai, le gouvernement a fait ce qu'il a à faire. Mais quand on regarde, c'est comme l'a dit Ousseini, quand on regarde aujourd'hui, avec les taux qu'on nous présente, hmm. on a comme l'impression que, en fait, on nous montre des taux, on veut que nous, enfin, en tant que Nigériens, que nous acceptons le taux qu'on nous présente. Mais dans le fond, qu'est-ce qui a été fait c'est ça, il faut voir. Parce que c'est en catastrophe que les élèves euh, sont retournés sur les bancs de l'école. Hmm. C'est en catastrophe que les premières compositions et semestrielles ou quoi se, se sont tenues. Et c'est en catastrophe que quand on regarde aussi eh, l'impréparation au niveau donc des examens. Donc, je me dis que c'est vrai, l'État a fait quelques efforts pour ne pas blanchir l'année en ramenant les élèves sur les bancs de l'école pour 45 jours. Mais je me dis également que beaucoup reste à faire ça veut que vous pensez, comme Ousseini, qu'il arrive que les taux de réussite euh, que le gouvernement annonce euh, ne reflètent pas la réalité du niveau des scolaires. C'est ce que je suis en train de dire. Hum. C'est bien beau de nous donner des chiffres, mais quand on regarde la qualité de l'enseignement, est-ce qu'aujourd'hui, ces élèves que nous avons devant nous, hum. qui réussissent aux examens, est-ce que ce sont des examens, ce sont des élèves qui réussissent en termes de qualité hum. C'est ça qu'il faut se poser. On peut, le gouvernement peut déduire qu'il y a eu tel nombre de taux de réussite. Mais est-ce que les élèves qui sortent aujourd'hui, c'est la qualité que nous voyons Nous ne voyons pas la qualité. Hum. Il n'y a pas la qualité qui est dispensée. Et nous, nous voulons que, pour une, bonne éducation, pour que le Niger aujourd'hui soit compté parmi les pays qui avancent en termes d'éducation, qu'il y ait la qualité d'abord. Et non la quantité ou le pourcentage qu'on nous reflète, qu'on nous, donne, en fait. Alaji Mohamedou Suleiman, qu'est-ce qui retient votre attention à votre niveau à propos du taux de réussite aux examens du baccalauréat intervenu cette année dans le contexte que l'on sait Peut-on parler d'exploit? vous pensez euh, De mon point de vue, euh, l'exploit, euh, c'est surtout pour le nouvel office donc national du baccalauréat. Le BN, c'est surtout le fait de mettre euh, cette année, en tout cas pratiquement sur toute la ligne, on n'a pas parlé de fraude, contrairement au BEPC où on avait vraiment des sujets, des, épreuves qui ont L'épreuve euh, donc là, il faut dire que e vraiment, euh, le fils a vraiment inversé la tendance. Il faut donc <coughs> féliciter le professeur Serki et son équipe parce que chaque année, en tout cas, euh, les fraudes, euh, les examens, euh, c'est une réalité. Mais vraiment, ils ont pris des mesures. En tout cas, cette année, comme ça a été un succès, en tout cas dans ce domaine. donc, maintenant, par rapport aux au, résultats, j'avoue que la qualité, le, le baisse de niveau en ce qui concerne l'école nigérienne, c'est une réalité ça a commencé en tout cas depuis qu'on avait un, certain nombre de, réformes. Euh, à un moment, il y avait ce qu'on appelle le double flux. Il y avait vraiment euh, toute une stratégie, euh, en tout cas imposée. En fait, en réalité, c'était des injonctions des, barres de fonds. Mm-hmm. Euh, le FMI, la Banque mondiale, en tout cas, ça c'est un vieux débat. En tout cas, cela a donné comme le résultat véritablement le secteur éducatif. Euh, on avait un moment opté pour donc euh, scolariser les, enfants, donc la, la, la, quantité pas la qualité. Donc vraiment, Issa, Issa a raison. Il n'y a pas vraiment y a rien à réduire le niveau des élèves aujourd'hui quand vous suivez de lire euh, une correspondance ou bien un élève euh, d'un niveau assez élevé qui t'envoie un message, franchement, on se rend compte à l'évidence que euh, c'est pas vraiment à la hauteur. Mhm. Euh, maintenant, il faut dire que maintenant, faut-il dire que parce que certains pensent que la période de confinement pour un élève sérieux qui se soucie du bac pourrait être loin d'être un, facteur défavorable mais favorable à condition que les élèves se constituent en groupe et qu'il y ait justement des encadreurs, leurs parents, leurs grands frères, des enseignants peut-être. Euh, cela peut pourrait expliquer que certains élèves, par exemple aussi, il y a des élèves qui sont redoublants, euh, qui ont fait le bac euh, une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça qui peut, qui peut expliquer cette en tout cas, ce taux, donc, contrairement donc, à l'an passé, il y a 26%. Bref, dans tous les cas, euh, euh, on n'est pas sorti de, <laughs> de, euh, mais je pense que, moi, de mon point de vue, il faut donc, au niveau, donc, généraliser donc, la, donc, l'organisation de, de, il faut confier même le BPC au niveau donc de ce office-là, en tout cas, si cela est possible, ou bien créer une structure au niveau donc euh, le secondaire. Le niveau universitaire. Je, sais, très, bien. il faudra maintenant au niveau s'inspirer de l'exemple donc de, de, l'OBN mhm. pour effectivement éviter les, donc, euh, les, fraudes. C'est le système éducatif qui ne répond pas. En ensemble. Euh, absolument. Mhm. Donc, il faut mettre les moyens, mais aussi donc véritablement euh, euh, il y a eu des, stages de, de, l'éducation. Donc, il y a que, il faut qu'on laisse justement les professionnels euh, donc, orienter le système éducatif conformément aux, en tout cas, aux attentes des, Nigériens. Chaque pays est un cas. Le Niger a ses priorités et par conséquent, par, exemple, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, il me paraît évident qu'il faut laisser, à partir des études euh, qui, vont montrer véritablement voilà ce qu'il faut, tel, combien d'étudiants il faut envoyer au niveau des sciences euh, appliquées. Voyez, tout cela, en fait, c'est des questions vraiment euh, techniques. Hmm. Il n'y a que les professeurs, en tout cas, qui doivent être mis en avant. Maintenant, le politique accompagne avec les moyens, mais aussi avec donc, tout ce qu'il faut pour justement, véritablement, que l'école puisse franchement euh, être une école de développement, vraiment pas une école vraiment qui, qui, qui, qui est là chaque année, parce que véritablement, les experts le disent, tant que nous, nous sommes déjà en retard euh, par rapport aux autres, aux autres pays, en matière d'IDH, euh, je me souviens cette image qu'avait donnée le docteur de l'Institut national de la statistique, euh, qui, montre véritablement, c'est comme si dans, une course, euh, on, voit par exemple à Ouaga quelqu'un qui est à Maradi, vous voyez quelqu'un à Niamey ici. Donc, vous voyez la différence, c'est-à-dire que par rapport aux autres pays, vous euh, marchez, absolument. Donc, franchement, il mhm. faut se dire que véritablement, bientôt, c'est on va aux élections il faudrait que les différents candidats aux élections se disent que faisons davantage de l'école une priorité. Merci beaucoup. Passons à présent aux préparatifs euh, de l'organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 que nombre d'enseignants ne voient pas s'annoncer sous de bons auspices. C'est le cas des enseignants détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle d'AP-CEG ou professeur de CEG des 6e et 7 promotions qui étaient en sit-in euh, jeudi 1er octobre dernier au ministère des Finances. Ils exigent du gouvernement le paiement d'environ 7 voire 12 mois d'arriérés de salaire pour certains. Ces enseignants dépassent les 1000 200 en nombre selon le coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire, Amadou Issa Souleyman, interrogé par le studio Kalangou. Hussein Issa, qu'est-ce qui est attendu du gouvernement dans l'immédiat face à des revendications de ce genre oui, ça, c'est des revendications, je crois. Hein. C'est des revendications, comment dirais-je, matérielles. Mhm. Ça dit, c'est l'argent. C'est l'argent, quand même, ils mangent pour aller enseigner, il faut bien, il faut bien manger. Quand tu n'as pas mangé, comment tu peux aller enseigner Ça, ce n'est que l'aspect qui concerne les enseignants. Et ce n'est pas à ce niveau seulement. Même au niveau du contractuel, le problème est là. N'est-ce pas hum. Mais le véritable problème, parce qu'on parle de rentrer le 15. le 15, c'est pratiquement dans une semaine. Rien qu'hier, j'ai fait la zone de Libori jusqu'à Colo. Et j'ai constaté que toutes les classes sont encore occupées par des, les, familles sinistrées. N'est-ce pas Toutes les classes, je te dis, toutes les classes jusqu'à Gamkali. Il n'y a pas une seule classe qui est actuellement libérée. Ça, c'est le premier aspect. Et je me suis entretenu par la suite avec Ali Osamna de Cause Niger. Un autre problème qui va se poser, c'est que jusqu'ici, en tout cas, j'ai causé avec lui Magdi. Je parle de Magdi, Jusqu'ici, les fournitures et matières didactiques, aucune inspection, aucune région n'a réussi son lot. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, le mouvement des enseignants. Il y a eu un timide mouvement récemment, mais ça n'a concerné que l'enseignement primaire et pas tout le monde. On ne parle pas des responsables au niveau administratif et autres, c'est-à-dire les directeurs, les inspecteurs, les directeurs régionaux et tout. Tout ça là, c'est pas fait. Bon, moi je me dis, c'est par quel miracle, quel bâton magique on peut considérer que on peut faire une rentrée dans ces conditions. Parce que la dernière fois, il était question que quand on va libérer les classes, parce qu'il faut d'abord reloger les personnes, les ménages qui sont en train de vivre dans ces classes-là. Il faut les reloger dans des conditions décentes. Le Premier ministre a pris l'engagement. Mais alors, on doit ensuite désinfecter les classes. Tout ça n'est pas fait jusqu'à cette date. Et ce n'est pas évident que ça soit fait d'ici le week-end. Ce n'est pas évident. que peut faire donc le gouvernement pour que cette rentrée puisse avoir ah, lieu honnêtement, Puisque ça a été annoncé par l'État le 15 honnêtement, quand on veut faire les choses dans les règles de l'art, à l'époque, quand l'école était bien, au mois d'avril déjà, tous les fournitures ben, les, matériels didactiques, tout est acheminé déjà au mois d'avril, avant même la fin de l'année scolaire et, en cours. On n'attend pas la dernière minute pour vouloir faire toutes ces choses-là. Ça veut dire que on s'achemine vers une rentrée politique. Et une rentrée politique, pas dans toutes les écoles. Hein. Au niveau des écoles qui ne sont pas encore occupées, on peut trouver une ou deux écoles, peut-être à Niamey, ou en tout cas les zones qui ne sont pas les quartiers où les gens n'occupent pas les classes, on peut aller faire la rentrée là-bas. Mais pour toutes les zones et qui sont nombreuses à Niamey, toutes les zones où les écoles sont occupées, je vois mal, en tout cas, je ne vois pas par comment la rentrée peut être effective et, comment dire, le 15 octobre prochain. Pas seulement à, à l'intérieur du pays également, parce qu'il n'y a pas une seule région du pays qui Il y a, été voilà. qui impactent Mais justement, ah, ah, j'ai oublié cet aspect. parce Parce qu'en campagne, le plus souvent, les classes sont en tige de, de, de, de, mille et autres. Les jeunes n'ont pas encore récolté. Il n'y a même pas le, les intrants pour pouvoir reprendre les classes. Parce que les classes se sont effondrées avec la pluie. Il n'y a même pas de tiges pour l'instant parce que les paysans n'ont pas livré. Mais dans ces conditions-là, non, il faut être réaliste. Moi, j'ai dit, il ne faut pas vraiment, pour juste dire on va faire pour faire, il faut se donner les moyens, il faut créer les conditions pour que quand on commence. Parce que c'est ça, c'est des détails comme ça qui vont foutre l'année en l'air. C'est des détails comme ça. Les questions de salaire, les questions de conditionnement des enseignants, les questions de, matériel didactique et autres. Mais c'est ça qui va foutre en l'air. Justement, Hussein au niveau du primaire également, signalons que plus de deux ans après le dépôt des dossiers de candidature, les, contractuels de l'éducation de base attendent toujours euh, le test de recrutement de 500 enseignants à la fonction publique une situation qui complique euh, davantage le retour euh, au calme du système éducatif nigérien, a déclaré au studio Kalangu le premier secrétaire euh, général adjoint du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base Sinaseb Sherif Issoufou. Elhaj Mohamedou Suleiman, on le sait bien, il est parfois difficile pour un gouvernement de prendre en charge toutes les revendications des travailleurs, mais dans le cas d'espèce, que peuvent faire les autorités nigériennes dans la perspective de motiver tous les enseignants à faire de la prochaine rentrée scolaire euh, une réussite pour l'intérêt de l'école nigérienne euh, La première des choses euh, à faire par le gouvernement, c'est de payer les enseignants. Mm. Euh, lorsqu'il y a des arriérés de, mois d'arriérés, comme, vous l'avez dit, mm. Euh, je pense que euh, véritablement, si on fait une. Euh, pas une question d'équité. Les fonctionnaires, les autres fonctionnaires n'ont plus d'arriérés. Mhm. Donc c'est l'occasion pour le gouvernement de profiter en payant les gens, donc, de, de, de, en tout cas, chaque fois, donc, de payer quelques, quelques anticiper, c'est-à-dire en fait, prévoir, mhm. comme ça, de manière progressive, on va donc euh, épurer ces arriérés. Mais je pense que les syndicats sont dans leur rôle euh, à la veille d'une rentrée. Il n'y a pas mieux qu'un syndicat, en tout cas, que euh, véritablement déposer les problèmes de l'espoir, effectivement, d'amener l'autorité à prendre en compte justement la revendication. Autrement, euh, c'est pas vers la fin de l'année qu'ils vont trouver gain de cause. Donc, je pense que, franchement, dans la mesure du, possible, euh, c'est inacceptable, particulièrement dans, ce secteur de, l'éducation ou bien de la santé, euh, qu'on observe que les enseignants ont des, arriérés. Non seulement il faut le reconnaître dans notre pays, euh, ailleurs, l'enseignant est très bien rémunéré parce que tout simplement on pense que sa fonction est essentielle pour le pays. Euh, donc, il est conséquemment payé parce que, imaginez, c'est des gens qui sont dans des coins très reculés. Mhm, euh, aujourd'hui, ils font face euh, à toutes, en tout cas, les situations, l'insécurité et aussi les, maladies. Donc, vous voyez, il faut qu'ils soient non seulement bien rémunérés, mais aussi rémunérés à temps. Mhm. je suis sûr que comment exiger justement ce que nous sommes en train de dire véritablement. Lorsque un enseignant euh, face à la gestion du quotidien, lui, c'est un père de famille, euh, il a, des enfants, euh, il va aller en classe ou bien il va aller faire autre chose. Donc, moi, je pense que c'est un vrai problème. En tout cas, il faut faire en sorte que ces arrivées, dans la mesure du possible, soient épurées. Mais aussi, il est important de revoir le traitement des, enseignants. Euh, donc euh, moi, je pense que euh, le, sont dans leur rôle. donc il faut vraiment voir, dans tous les cas, pour la rentrée, il faut justement considérer que qu'ils ont besoin du minimum un enseignant qui a 12 mois d'arriéré, même si je ne sais pas si c'est accumulé, de, quelle façon c'est accumulé, mais cela veut dire que quelque part, euh, la ah, mais, absolument. qu'il faut euh, pour enseigner. Peut-être qu'entre-temps, si on, examine la situation, d'autres peut-être euh, auraient abandonné, mhm. auraient démissionné, parce que tout simplement, l'enseignant, il n'y a que, n'a que son salaire pour vivre. Donc, par conséquent, la moindre des choses, c'est vraiment de lui garantir cela, si même on ne peut pas l'augmenter. Je, vais, juste, rajouter quelque chose par rapport à ce qu'Alain Suleiman vient de dire. C'est en quelques secondes, ce que l'enseignant, mhm. c'est quand on regarde un peu, un peu les profils au niveau de la fonction publique, c'est ceux-là qui, dès que l'école commence, ils n'ont plus de temps de repos. Il faut préparer le cours, il faut aller le dispenser aux enfants, il faut corriger les cahiers, il faut faire les relevés de notes et tout et tout. Sur toute l'année, et ils n'ont aucun, ils n'ont aucun à côté. C'est vrai, c'est, ça, c'est vrai, alors, ce n'est pas facile. Alors, mais quelqu'un qu'on prend, on le jette dans une brousse, on ne lui donne pas son salaire il va faire comment À l'époque encore, c'était bien. Ça, pouvait aller parce qu'à l'époque, il y avait la solidarité. Quand vous venez en tant qu'enseignant, le chef de village prenait soin de vous, on vous donnait. Aujourd'hui, c'est fini. On avait plus de considération pour l'enseignant. Rappelons que cette rentrée pour les établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire euh, et dans les écoles de formation professionnelle avait été officiellement annoncée pour le 1er octobre 2020, puis reportée au jeudi 15 octobre prochain en raison des graves inondations enregistrées cette année au Niger. Maïmoun Gado, quels sont les défis à relever urgemment pour que ce challenge soit gagné du point de vue libération des classes occupées par les sinistrés, réparation des infrastructures scolaires endommagées par les fortes pluies, respect par euh, les scolaires des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, etc. Euh, la priorité ici, c'est d'abord de libérer les classes. Mmh libérer les classes et trouver un endroit approprié pour ces sinistrés, mhm. d'abord. Ensuite, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille, comme ils l'ont dit. Mettre les enseignants également dans les conditions. Parce que quand vous n'êtes pas dans les conditions, même si on libère les classes aujourd'hui, quel est l'enseignant qui va aller dispenser les cours sans avoir rempli son ventre C'est ça mhm. le problème. Est-ce que ces enseignants vont se préoccuper de dispenser les cours ou bien ces enseignants vont se préoccuper de s'occuper de leur famille C'est ça aussi. Deuxièmement ou troisièmement, si je peux l'affirmer, il y a des écoles qui aujourd'hui n'ont pas de sinistrés, mais d'où les eaux stagnent jusqu'à hmm. présent. Elles-mêmes sont inondées, ces écoles. Voilà. Donc, il faut également essayer de vider ces écoles de ces eaux troisièmement ou quatrièmement, il y a des écoles qui sont parties. Pratiquement, il n'y a rien, pas même de traces d'école. Dans certaines régions, il y a des endroits où les écoles n'existent même pas. L'eau a tout emporté. Donc il faut également que le gouvernement s'y mette pour euh, <laughs> fabriquer, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut atteindre des de, classes en matériaux définitifs, définitifs, mais quand même, euh, le peu qu'ils peuvent euh, aujourd'hui mettre à la disposition de ces élèves, parce qu'on ne peut pas laisser également ces élèves sans partir à l'école. Mmh. Donc je pense qu'il y a énormément, énormément de défis qui attendent le gouvernement. Merci beaucoup, Maïmouna Gado. Dernier sujet de ce forum de la presse. Euh, nous allons nous intéresser à présent à la situation sociopolitique euh, au Mali. Lundi dernier, un gouvernement d'union nationale de 25 euh, membres a été mis en place. Ce dernier sera chargé de conduire la transition politique de 18 mois du pays. LH Souleymane Mohamedou. Que doit-on de prime abord comprendre de la composition de ce gouvernement de 25 membres nommé par le président de transition, Bandao, et qui comprend quatre militaires et certains chefs rebelles ben, Ce que euh, les observateurs ont constaté que les militaires, euh, quand même, euh, ont eu quand même à se positionner dans le gouvernement euh, ils ont pris certains postes régaliens. Et aussi, c'est parmi euh, les membres du gouvernement, c'est aussi des noms bien connus, donc des membres du, CNSP. Euh, non seulement déjà, quand on se souvient de la demande de la CDAO, ils ont fait en sorte que le président de la transition soit un militaire à la retraite. Donc, on dit que c'est un civil, ça passe. Mais le vice-président, c'est le leader donc, du CNSP euh, qui a voulu, euh, donc euh, heureusement, ils ont donné suite à la demande de la CEDEAO qui dit qu'il ne doit pas être président absolument par intérim, absolument. Donc ils ont respecté ce, ce, principe. D'ailleurs, par rapport à la composition de ce gouvernement, certains analystes disent que c'est une victoire de la gente parce que c'est comme si euh, la CDAO vient donc euh, euh, légitimer aussi donc ce ce qu'ils ont fait. donc bref, je pense quand même il faut se réjouir que notre grand voisin, en tout cas, on voit un peu les choses commencent donc à se régulariser. Mm-hmm. Il y a donc un gouvernement qui, qui est en place. Euh, on vient, la CDAO vient de lever euh, donc l'embargo. Donc maintenant, on pense que euh, vont se mettre au travail si, pour véritablement faire face aux grands défis. On a appris que le président donc de la CDAO, Nana Akufo-Addo, donc viendra, va venir très bientôt au Mali, donc pour justement rassurer que la CEDEAO va accompagner donc cette institution donc, il a déjà demandé d'ailleurs aux autres partenaires d'accompagner le Mali. Tout à fait. Donc je pense que je pense que il faut se réjouir donc du fait que on va vers, euh, vers le, rétablissement de la situation. Mhm. Sauf que maintenant la, vraie question c'est les défis donc euh, euh, pour le Mali, les défis sécuritaires, les défis en tout cas comme notre pays, le, Mali aussi, tout est prioritaire. En, plus de la question de la sécurité, l'économie, l'école, euh, vous voyez donc, je pense également que, un pays en voie de développement. il y a beaucoup euh, d'efforts à faire. Donc moi, je pense que euh, c'est une expérience qui montre que nos pays sont très fragiles et lorsque parce qu'il faut le reconnaître, on a entendu vraiment les cris de cœur de certains Maliens que, effectivement, l'embargo avait vraiment, véritablement fragiliser. le pays. Et cet embargo n'a fait du mal qu'aux populations euh, civiles. C'est le leader donc, de, de qui, qui, gère la, la, la, question de la défense et la, sécurité. Donc on va voir véritablement ce que ça va donner. Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, le fameux M5 RFP, donc euh, le mouvement de la société civile et l'opposition politique, euh, Ils ont qui a véritable en réalité, ils, disent que pas forcément ces gens ne, ne, sont pas, de en, tout cas, euh, en tout cas, officiellement, ils disent que ce mouvement n'est pas représenté au sein du gouvernement. Il faut reconnaître que ce mouvement, dans le processus, en tout cas, du dialogue, a été d'une certaine façon grigé. Il n'a pas été, ça, enfin, ça, son poids politique n'a pas été pris en compte. Euh, dans la mise en place des institutions de la transition. Merci Al-Haji. Ousseinissa, peut-on dire que ce gouvernement est consensuel et qu'attend de lui le peuple malien ah ben, Bien évidemment que le gouvernement est consensuel. Ça fait longtemps que le système est bloqué. Ça a pris combien de temps ça veut dire que si la CEDAO est d'accord avec. Hein, le oui, justement, oui, bien sûr, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de certaines nominations et tout et tout. Finalement, le Premier ministre d'abord, dans un premier temps, parce qu'il fallait mettre un Premier ministre civil. Mhm. Et comme avait dit un président civil, de transition civile, civil euh, entre guillemets, parce que bon, c'est un ex-colonel de l'armée qui tout ça. Mais moi, je veux dire, quelque part, c'est que les gens, parce que bon, je suis bien d'accord, l'embargo, tout à l'heure, à Alain Suleiman disait l'embargo. D'accord, d'accord, la CdaO ne veut plus de coup d'État. Et je vais insister là-dessus. Mais c'est sur la base du protocole de la CEDAO sur la, bonne, sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais pourquoi la CEDAO ne jette pas un regard quand un chef d'État gère mal L'interpeller, lui notifier qu'il ne peut pas continuer à gérer comme ça. Parce que qu'est-ce qui amène les crises politiques généralement C'est la mauvaise gestion. Vous laissez la personne faire. Et maintenant, quand. Parce que vous voyez un peu le processus. Le coup d'État, c'était pas, euh, comment avez-y dit, immédiatement, c'était pas. C'est vrai, certains ont dénoncé cela. Certains observateurs ont dit que la Moi, a avait dénoncé. beaucoup plus. Euh, c'est comme si c'était un syndicat. Donc, on va avancer. le problème, c'est un syndicat. Si c'est pas un syndicat, regarde ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Regarde ce qui est en train de se passer en Guinée-Conakry. La CDAO est là, elle observe. Maintenant, que doit faire le gouvernement face aux attentes euh, du peuple malien Le gouvernement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a mm. pas de miracle le niveau de déliquescence du, Mali, ce n'est pas en l'espace de 18 mois qu'on peut régler des problèmes qui ont été accumulés pendant plus de 10 ans. Il y a un grand défi quand même, c'est les élections pour qu'il y ait des civils. Ça quoi les élections Si c'est faire des élections pour faire des élections, ça sert à quoi Ça sert à quoi finalement Parce que les gens qui vont venir, ils vont s'enrichir pendant que le peuple euh, euh, croupit dans la misère. Non, moi j'ai Donc c'est quoi le grand défi finalement pour le gouvernement mhm. Il faut donner un sens. Il faut donner un sens. aux élections. Parce qu'ici, nous avons des en tout cas dans nos pays le plus souvent, surtout les pays francophones, la démocratie est dévoyée. On pense que parce qu'on est parti dans les urnes, le peuple a choisi, et souvent même, c'est même pas le peuple qui a choisi. On sait donné, comme avait dit, euh, on a, on a magouillé, on a fait des choses euh, un peu qui, pour, venir, pour, pour venir au pouvoir, et on considère que c'est le peuple. Non, le peuple a le pouvoir de sanctionner. Quand vous gérez mal, il faut que le peuple vous sanctionne. Mais malheureusement, dans nos pays, ce n'est pas comme ça. Les gens considèrent que je suis arrivé. Il faut Ça dire le gouvernement doit tout faire pour réussir à organiser des, élections crédibles. Il va... Eh, des élections crédibles, d'accord. pendant les périodes de transition qu'il y a souvent des élections crédibles. Mhm. Mais quand la transition passe là, le soleil qui s'installe là, quand il va organiser, lui, il va s'arranger pour faire en sorte que ça ne se passe pas dans la transparence. Le plus souvent dans nos pays, c'est comme ça que ça se passe. Maïmoun Diado, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont annoncé justement le 6 octobre dernier la levée des sanctions contre le Mali pour soutenir, disent-ils, cette transition censée ramener les civils au pouvoir. Quelle analyse faites-vous de la fin de ce tambourgo longtemps décrié par nombre d'observateurs euh, d'abord, je me réjouis. Je me réjouis de la réouverture en fait des frontières et la levée de l'embargo par la CDAO. Euh, moi, je l'avais dit ici que la CDAO n'avait pas, en fait, je euh, je vois pas l'importance de mettre le Mali sous embargo parce que ce qui est fait est déjà fait. C'est le coup d'État. Le coup d'État a été fait du moment où les militaires ont décidé de faire la transition euh, il devrait être soutenu depuis fort longtemps pour cette transition, pour amener des institutions, mettre en place d'abord les institutions. Et aujourd'hui, voilà que l'histoire donne raison, comme on le dit. La CDA avait en fait euh, exigé la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Parce que du moment où c'est déjà arrivé à un stade où on ne pouvait pas dissoudre le Conseil euh, national, euh, de, pour le salut, pour du, le peuple. salut du peuple, mhm. je me disais que la CDAO devait en fait réorganiser les choses avec ces mêmes militaires-là pour pouvoir aller vers un Mali qui va décoller. Mhm. C'est aller vers une transition. Et aujourd'hui, vous voyez, avec la mise en place euh, d'un gouvernement d'union nationale, eh, la CDAO ne peut que euh, s'en féliciter. Mhm. Parce que vraiment, avec la fermeture, ce n'est pas uniquement euh, ceux qui ont fait le coup d'État qui, qui, ont eu des difficultés. Mais Il y a eu euh, des difficultés au niveau des transactions financières. C'est la, population. La population a tellement senti ça et c'est très difficile. Merci. Restons toujours euh, au Mali pour parler de ces informations sur la libération de plus d'une centaine donc, de djihadistes condamnés ou présumés le week-end dernier dans le cadre des négociations pour la libération de l'opposant Soumaïla Sissé et de l'humanitaire euh, française euh, Sophie Petronet. Elle a Mohamedou Suleiman. De quoi s'agit-il euh, exactement ben, franchement, il y a eu un effet d'annonce. Les médias ont pris pour <laughs> leur coup la recherche donc de la primeur d'annoncer l'information. C'est vrai, la, la, vie, la, vie, est sacrée, mais je pense quelque part, c'est les, les, terroristes qui vont tirer, gagner du terrain, c'est eux qui vont tirer leur épingle du jeu, parce que non seulement on, a libéré certainement ceux parmi ceux qui sont libérés, mhm. il y a des, certainement leurs lieutenants donc, qui savent, qui connaissent le terrain, qui vont encore revenir euh, faire donc euh, merci euh, merci à On va, justement poser on va justement poser la question à Hussein Nissa. c'est vrai on comprend ce que vous voulez dire par là mais Hussein Nissa, justement la libération de ces djihadistes n'aura-t-elle pas des conséquences fâcheuses sur la stabilité du Sahel parce qu'il ne s'agit pas seulement du Mali comment est-ce que ça vaut le coup de poser cette question mais évidemment c'est des gens qui ont été pris, qui ont les mains sales, qui ont les mains suées de ça, qu'on a emprisonné. Et voilà, c'est eux qui mènent la, le, le, machin, qui, mènent la danse. C'est eux qui mènent la danse aujourd'hui. Et vous trouvez que c'est normal qu'un État se permette de faire ces genre d'actes parce que tout simplement, vous voulez montrer que non. C'est-à-dire ceux-là qui sont sortis, ils vont encore aller reprendre les armes. Maïmoune Gado, à quoi faut-il s'attendre avec euh, cette nouvelle euh, façon de libérer des présumés terroristes Mais si aujourd'hui, pour libérer, ou bien euh, pour libérer des personnes, des, officiels, ou une Française, il faut d'abord libérer des criminels, parce que moi je les appelle des criminels, les djihadistes. Aujourd'hui, mais il faut s'attendre à quoi Ça veut dire que même demain, ces mêmes jihadistes vont encore demander plus cette fois-ci, au lieu que ça soit 150, ils vont demander qu'on vide tous les, les djihadistes qui se ça veut dire que ça ne devrait pas être négociable. Ça ne devrait pas être négociable. Dès, au début, mhm. moi, je ne vois pas l'intérêt de négocier avec des djihadistes. Merci beaucoup, c'est bien compris. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous étions avec l'AG Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Sajoubo, journaliste indépendant, et Maimone Gado, journaliste indépendante également. C'était Michel Deji pour la modération de ce forum. À la régie pour le son, nous avons Seni Saka et à la réalisation vidéo Mustafa Yuba. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalango. Rendez-vous sur les 45 radios partenaires du Studio Kalango pour suivre samedi à partir de 17h le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivies de tous à la FADA et le même jour à 18h15 le forum en Hausa sur les enjeux de la fermeture de la Cominac à Arlita et dimanche à la même heure, euh, le forum en Zarma portera sur le thème l'importance des jardins scolaires au Niger. Au revoir.